auditeurs et auditrices du studio Kalangu, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangu votre émission quotidienne qui apporte des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 31 radios partenaires basées dans tous les chefs-lieux de région et plusieurs localités du Niger que devient la loi interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation du sachet plastique. C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans le forum de ce soir. Les sachets plastiques, on le sait, se présentent sous différentes formes et font objet d'utilisation quotidienne par la population nigérienne. Selon les statistiques, les commerçants et importateurs font entrer environ 150 000 tonnes de plastique au Niger par an. Ces sachets sont à l'origine d'un énorme gaspillage dans les villes, puisqu'étant fragiles, ils sont souvent jetés n'importe où sitôt la marchandise retirée. Son utilisation a, selon les défenseurs de l'environnement, des conséquences énormes sur l'environnement, la faune et la faune loram Ainsi, vu cette euh, menace de ces déchets plastiques sur l'environnement pour la santé humaine et animale, en somme pour l'économie mondiale, le Parlement nigérien avait, en novembre 2014, adopté une loi qui interdisait la production, l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques sur le territoire nigérien. Où en sommes-nous avec cette mesure d'interdiction de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques Quels sont les vrais dangers posés par les déchets plastique, quelles sont les actions menées par les pouvoirs publics pour une bonne gestion de ces déchets plastiques Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous recevons dans ce studio M. Adamou Kouloubali, directeur régional de la ville et de la salubrité de Niamey. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Monsieur Sani Ayouba, directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons en ligne monsieur Lamine Mahaman. Il est le secrétaire général de l'Association des importateurs euh, et exportateurs des sachets plastiques euh, au Niger. Bonsoir à vous. Euh, bonsoir, madame. Et vous entendrez en interview M. Salif Hassan. Il est le coordinateur de l'ONG École à Instruments de paix qui intervient dans le domaine de la protection et de la préservation de l'environnement. chers invités, avant de planter le décor, euh, dites-nous brièvement en quoi consiste euh, votre mission dans vos structures euh, respectives. Je commence par vous, Monsieur Adam Koulvali. C'est un plaisir réel et sincère qui est pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour discuter sur euh, cette préoccupation majeure, à savoir la gestion des déchets solides ménagers et plus spécifiquement la gestion des sachets plastiques. Donc, euh, comme vous l'avez dit, je suis maman Koulibaly Adam, je suis le directeur régional de la ville, de euh, la région de Niamey. Donc, du coup, je relève de la, aussi bien du gouvernorat de Niamey que du ministère de la ville et de la salubrité urbaine. Ici, notre mission au niveau de ce ministère, c'est de, comme l'a dit le ministère de la ville et de la salubrité urbaine, c'est l'amélioration du cadre de vie urbain au Niger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes, le ministère a pour charge de la planification et l'élaboration des stratégies de gestion, tout ce qui est gestion urbaine et de tous les problèmes au niveau urbain. Monsieur Sani Yuba, vous êtes directeur exécutif des jeunes volontaires. Parlez-nous de votre structure, de votre ONG. Euh, les jeunes volontaires pour l'environnement sont des jeunes activistes sur les questions environnementales, donc euh, réunis autour de, l'association qui, depuis 2009, année de la création, euh, n'a cessé d'apporter sa contribution en termes d'implication des jeunes et des femmes euh, dans les processus de développement durable. Donc c'est ainsi qu'à travers nos actions, nous participons à l'information, la, formation euh, des gens sur les questions, surtout les questions environnementales. Nous avons également euh, des programmes divers et variés selon les localités où nous intervenons pour davantage faire prendre conscience aux jeunes de leurs responsabilités dans l'avènement d'un Niger plus vert et également dans la gestion rationnelle des ressources naturelles dont nous disposons par rapport également à la promotion des gestes écolos, parce mhm. qu'il faut qu'on soit des éco-citoyens, parce que nous sommes un pays euh, désertique, un pays sahélien, où les questions environnementales se posent avec acuité. Donc il est important pour la génération des jeunes que nous sommes, et puis les femmes surtout, de comprendre ces enjeux et de voir comment elles peuvent s'en approprier et jouer un rôle euh, dans le développement du Niger. Merci à vous. Et comme je le disais, nous avons en ligne M. Mohamed Laminou, il est le secrétaire euh, général de l'Association des importations Exportateur et exportateurs des sachets plastiques. Monsieur Mahamoud, bonsoir. Euh, bonsoir, madame. Euh, Présentez-nous un peu votre association. Notre association, c'est vraiment l'association des importateurs et exportateurs de, euh, plastique. Hmm. Donc, euh, elle a pour but vraiment le but économique et aussi pour la contribution aussi de l'économie en même temps aussi, et pour aussi vraiment pour la lutte, nous faisons la lutte euh, contre la discrimination et contre les études euh, psychologiques. Nous savons que très bien, euh, les études plastiques font des, dégâts, mais écoute, là, nous, quand on faisait les commandes, euh, nous faisons des, des, des, des remarques aussi. Donc, euh, c'est ça notre but de, euh, de vraiment, et pour le, vraiment le, le bonheur de, de, Merci, Monsieur Lamu, Nous allons revenir vers vous le temps de lancer ce son. Et comme je le disais plus haut, le, en 2014, le Niger a adopté une loi interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation du sachet plastique. Écoutons à ce sujet cette analyse de Monsieur Salifou Hassan. Il est le coordinateur de l'ONG École Instrument de paix qui intervient dans le domaine de la protection et de la préservation de l'environnement, une des premières organisations selon son coordinateur a alerté sur les dangers liés à l'utilisation abusive du sachet plastique. On l'écoute. Au Niger, au moins, si vous prenez l'ensemble de la population, au moins 90% de la population du Niger aujourd'hui, par jour, utilise au moins 5 sachets plastiques. ok à travers euh, ou la consommation de l'eau ou à travers les petits achats que les gens font auprès du tablier ou du boutiquier ou au marché. Et partant de ce fait, vous voyez un peu la quantité qui est utilisée journalièrement. Il y a la loi. Mais quelle est aujourd'hui le degré de prise de conscience de l'ensemble de la population du Niger par rapport aux déchets plastiques. Donc la loi prendra le temps qu'elle va prendre, mais toujours est-il qu'elle est là, c'est déjà un point de gagné. Ah, c'est une question autour de laquelle il faudrait nécessairement une grande sensibilisation. Euh, d'abord, il y a la grande sensibilisation, mais avant la sensibilisation, il y a la maîtrise des aspects négatifs. En fait, ce n'est pas très développé. Beaucoup de personnes ne peuvent pas vous expliquer en profondeur les dangers des déchets. Du point de vue de la nature, quand vous jetez un sachet plastique, 200 ans après, quand vous revenez, vous allez le trouver comme tel. Il n'a pas changé. Quand vous brûlez le plastique, d'abord, non seulement vous aspirez le gaz qu'il dégage, non, il pollue la nature par rapport au climat, mais en même temps, il traverse la marmite dans l'alimentation que vous préparez et quand vous allez le manger, il se, il se transforme en cancer dans l'organisme humain. Par rapport aux politiques, au gouvernement, il faut beaucoup développer des actions concrètes ok, de transformation primaire, c'est-à-dire mener des actions que les populations peuvent copier ou peuvent renforcer en attendant qu'on parte dans le domaine industriel et technologique très développé. Mener des réflexions autour de comment amener cette population-là à bien utiliser à travers euh, le recyclage, c'est-à-dire c'est le principe de trois R comme on l'appelle, euh, réutilisation, recyclage des sachets plastiques. Vous venez d'entendre l'analyse euh, du coordinateur de l'ONG École Instrument de la Paix, une ONG qui a intervenu, qui intervient dans le domaine de la protection et la préservation de l'environnement. Je commence par vous, Monsieur Adam Vous êtes le directeur régional de la ville et de la salubrité. Dites-nous, que dit cette loi qui, interdisait, cette loi qui a été adoptée par les parlementaires en 2014 La loi est titulée ainsi, loi numéro 2014-103 du 5 novembre 2014, portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Maintenant, avant de rentrer dans, la loi, je vais vous faire une genèse. Pourquoi cette loi Donc, euh, cette loi qui a fait polémique à son temps a été finalement votée euh, le 5 novembre. Et vraiment, c'est, elle a fait 10 ans à 15 ans de, gestation. Il a fallu que les, les esprits mûrissent pour que cette loi puisse naître. Donc, il y a eu un constat qui a été fait. Plusieurs constats d'ailleurs. Le premier constat est que dans toute la sous-région, des pays sont en train de prendre des mesures pour interdire le sachet plastique. Pour dire que ce n'est pas le Niger seulement qui a adopté cette loi. Des pays euh, africains. Des pays africains. Les mhm. pays africains. Il y a des pays qu'on a dévancés, mais qui ont déjà. Leur loi est déjà appliquée. Il y a des pays où ce n'est pas des lois, c'est des arrêtés, des municipaux. Donc, donc, quel est le problème qui se pose Il se pose un problème de pollution donc un problème d'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc euh, le problème peut être généré à deux grands niveaux impact sur la santé humaine et impact sur l'économie. Je prends d'abord impact sur l'économie. On s'est rendu compte que les sachets plastiques, qui sont une matière, là, on va revenir sur la, définition du sachet plastique, qui est une matière vraiment utilisable, facilement utilisable, qui est rentrée dans notre mode de consommation, qui est utilisée et jetée. Donc le plastique, une fois jeté, le sachet plastique, une fois jeté, devient un déchet dangereux. Ça bouche les caniveaux, ça crée des, problèmes d'innovation. Les animaux en, en, en aval et ça crée un problème les champs sont devenus infertiles. Mm-hmm. Donc tous ces problèmes ont fait en sorte qu'il y a même la pollution environnementale, Il s'agit qu'on va partout accrocher dans les arbres, euh, dans les villes. C'est pour cette raison que l'État a décidé d'interdire ce plastique-là. Donc l'interdiction, c'est seulement le plastique souple à basse densité qui est interdit. C'est quoi le plastique souple à basse densité mm-hmm. C'est le plastique que l'air prend le plastique léger. Le plastique utilisé quotidiennement. Comme ce qu'on appelle les emballages. Le plastique utilisé comme emballage. C'est ce plastique-là que les femmes, que tout le monde utilise. On va les mêmes villes au marché, on revient avec le sachet plastique. Donc l'huile est mise dans le plastique, là, le blanc, le sel, le sucre, tout, pratiquement tout ce qu'on achète au marché est mis dans Et à la fin, on met tout ce petit détail dans un sachet noir. Donc tout ce glow là est interdit par la loi. Souple à basse densité. Donc la loi interdit ce type de place. Et dans la loi, vous avez trouvé à l'article 5 le sens, tous les concepts utilisés dans la loi, à son article 5, c'est défini. La loi a trois chapitres. Donc la présentation fixe de la loi, il y a trois chapitres, 15 articles, 38 alinéas. Donc, euh, elle a été promulguée le 5 novembre 2014. Et euh, la date, à cette date-là, on a donné euh, une, date moratoire de six mois pour mettre la loi en application. en application. Six mois à partir du 5 novembre 2014. C'est-à-dire que déjà, en 2014, début 2015, la loi devait être applicable et appliquée. Oui, mais, pourquoi cette loi, euh, on peut dire qu'elle reste en souffrance euh, dans les tiroirs, puisque à la date d'aujourd'hui, le sachet continue d'être euh, utilisé plus qu'avant même, si on peut le dire. Oui, maintenant, tout récemment, il y a eu une, rencontre entre les ministères, entre les trois ministres, ministres ministre environnement, et, salubrité et commerce, avec les commerçants. Donc, pratiquement, la loi, maintenant, elle est en train d'être appliquée. Elle a été instruite à la douane pour ne plus faire passer les plastiques qui le plastique existe dans, nos villes, c'est le, le, stock déjà qui existe. En réalité, la loi, elle n'est pas contraignante. Il faut prendre la loi d'une façon intelligente. La loi, c'est une loi intelligente je peux le dire. Ok. Monsieur Lamine, vous êtes euh, le secrétaire général de l'Association des importateurs et exportateurs euh, des sachets plastiques au Niger. Dites-nous d'abord euh, d'où est-ce que les commerçants importent ces sachets plastiques le, Ghana, le Togo. Et même, même jusqu'au Guinée, on faisait l'importation. Donc ça dépend. Donc c'est dans le pays même de la CDAO, les Guinéens. Ces pays-là ont adopté cette, loi dont vous, dont vous parlez. Donc ces pays-là ont, euh, ont, appliqué la loi, mais ils ont un système de recyclage de ces, de ces plastiques. Est-ce que vous continuez d'amener les sachets plastiques euh, de, de l'extérieur Vous faites entrer du sachet plastique au Niger maintenant ce qu'on a demandé à l'État, parce que lors de notre réunion avec le ministre, là, c'est d'avoir un temps jusqu'à la fin de cette année, hein. parce que déjà les commandes ont été envoyés, ont été lancés à la fin de 2017. Donc à la fin de 2017, tout le monde a étudié ces déchets. Et ces déchets-là, comme je vous dis, ça, dépend. Hein. Il y a des biodégradables. Hein. Il y a des biodégradables. dégradables. Ça, ça c'est ce que même nous, nous, nous exigeons là-bas à nos, à nos fournisseurs. C'est euh, qui a été déjà commandé. C'est ça qu'on faire venir. C'est une commande qui a été euh, lancée depuis, depuis quelle année depuis, depuis, l'année, donc maintenant on attend au moins que ça se avant la fin de cette année. Merci Monsieur Lamine, restez toujours en ligne. Euh, le temps de donner la parole à Monsieur Sani Ayuba, le directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement. Sani Ayuba, vous avez écouté euh, tous vos prédécesseurs. Euh, dites-nous, vous, quelle analyse faites-vous de l'utilisation du sachet plastique ici au Niger Merci bien. Donc, je pense qu'à la suite du directeur régional euh, du ministère de euh, la salubrité et de la ville. Euh, je pense que nous sommes d'avis avec ses propos par rapport à la loi, par rapport à la jeunesse. Et même s'il faut le dire, on disait à un moment donné que c'était, il y avait déjà des dispositions réglementaires au Niger qu'il suffisait même d'appliquer. Donc c'est vrai que ce n'est pas une loi de trop, mais si on respectait la charte de l'environnement et d'autres dispositions qu'on avait, on n'allait pas venir à ce niveau-là, cette situation. Et je pense que le fait d'avoir cette loi, c'est une bonne chose. Parce qu'on dit mieux vaut tard que jamais, parce que plusieurs pays ont réussi cette transition, ou mhm. bien sont déjà dans cette transition. Et je ne vois pas pourquoi les Niger ne va pas se mettre aussi dans cette logique. Parce qu'il faut voir les aspects positifs de cette loi, les aspects positifs de l'interdiction des sachets plastiques à base densité, comme il disait, puisqu'il y a des sachets biodégradables, mais il faudrait que les gens aussi voit l'intérêt pourquoi euh, ces sachets-là sont interdits parce que il y a des conséquences énormes par rapport à l'environnement et ces conséquences nous n'allons pas nous sommes déjà en train de les vivre et nous voudrons pas que les générations qui viendront après nous aussi puissent en en davantage donc c'est pourquoi il est de l'intérêt pour chaque citoyen peu importe le niveau de responsabilité que nous avons, qu'on soit des politiciens, qu'on soit des hommes d'État, qu'on soit des commerçants importateurs, il faudrait qu'on pense à l'environnement d'abord, qu'on pense à la santé. Donc pour moi, je pense que cette loi est une bonne chose, mais malheureusement, on a toujours des difficultés, comme on l'a dit, depuis maintenant presque plus d'une année dans, l'application de la loi, parce mhm. que à entendre tout à l'heure le, secteur général euh, du syndicat, ils ont demandé suite à la dernière réunion avec les ministres qu'il y ait au moins un peu euh, jusqu'à la fin de l'année pour permettre d'écouler les stocks existants ou bien de recevoir les commandes déjà lancées. J'espère qu'on va s'en tenir à ces niveaux parce que nous, nous, ce qu'on nous dit en tant que défenseurs de l'environnement, c'est de voir, euh, parce que comment trouver encore des alternatives pour ces personnes-là qui vivent de cette activité. Aujourd'hui, eux-mêmes ont reconnu qu'il y a déjà des sachets biodégradables qu'ils peuvent importer partout dans le monde. Également, il y a d'autres alternatives telles que le recyclage dont ils parlaient. Il y a, euh, il y a des sachets euh, à base densité qui sont biodégradables, mm. tout comme il y en a qui ne le sont pas. Donc, cette loi concerne que ceux qui ne sont pas biodégradables si les directeur, là, il peut confirmer ou pas. Donc, mais euh, ceux qui ne sont pas biodégradables, il va falloir qu'on les intéresse parce que c'est des sachets qui, comme l'autre disait dans l'interview, qui peuvent dépasser plus de 200 ans. Dans euh, avant de disparaître. Vous voyez, donc c'est vraiment polluant. Polluant surtout dans un pays euh, sahélien. Et en plus de ça, euh, nous sommes un pays où l'agriculture et l'élevage constituent les poumons de l'économie nationale. On ne peut pas continuer à faire des activités qui aura un impact négatif sur ces deux activités. Merci, M. Sani. Alors, euh, M. Adamou Koulbali, on le sait, le gouvernement du Niger, à travers l'adoption de cette loi, voulait avoir euh, un Niger sans plastique. Mais qu'est-ce qui freine donc euh, la mise en application de cette loi Et ce, même donc après le, décret d'application. le décret d'application date du 25 juin 2015, pour vous dire que la loi, elle est largement applicable. C'est vrai il y a eu des problèmes avec les commerçants qui disent qu'ils ont beaucoup de stocks à écouler, qu'ils ont lancé des grosses commandes. Oui, comme l'a, expliqué. Voilà, à la dernière réunion, j'ai entendu vraiment d'appliquer la loi parce que ces commerçants ne vont jamais respecter la loi. Il faut le dire. Si on attend, on suit. Eux, c'est des businessmen. En réalité, c'est quoi il faut, il faut, il faut voir la chose d'une façon positive. La loi interdit le sachet non biodégradable du type actuel qu'on a. Ce plastique fait durer 400 ans. La loi autorise l'importation du plastique biodégradable ou oxo-biodégradable qui peut mourir en deux ans. Et les mêmes plastiques sont fabriqués dans les mêmes usines. Mhm. C'est juste un problème de process. On demande tout simplement à ces commerçants de dire à leurs fabricants de changer le. Ils n'ont plus besoin de plastique classique. Même en Côte d'Ivoire, là où ils disent en Côte d'Ivoire, l'usine fabrique deux types de plastique. Le plastique oxo-biodégradable pour le marché ivoirien et le plastique non oxo-biodégradable pour le marché extérieur. On connaît comment ça se passe. Donc, il faut. Cette loi, vraiment, il faut la lire d'une façon intelligente. La loi n'interdit pas le plastique. On ne peut pas interdire le plastique. Mais on veut le plastique oxo-biodégradable ou biodégradable qui peut mourir, ça, tout simplement, qui peut mourir en deux ans. C'est tout. C'est vrai, il y a eu un problème d'application. Je crois que maintenant, les autorités sont décidées et ça, la décision est venue du haut niveau. Il faut appliquer la loi. Je crois que bientôt, la loi sera appliquée. D'ailleurs, elle a même commencé. Les gens ne savent pas. Mais à la douane, déjà, on a donné des instructions pour empêcher l'entrée du plastique. Aucune mesure n'a été prise par le ministère pour conformer la population euh, euh, aux dispositions de cette loi Si, il y a eu une grande campagne de sensibilisation. Moi, pratiquement, avec mes collègues, on a sillonné tout le Niger. Parce que quand la loi est partie à l'Assemblée, les commerçants, à la première lecture, ils ont dit que les techniciens sont enfermés de leur bureau pour faire la loi. Et la loi a été rejetée pour une, deuxième lecture. Et on a exigé la sensibilisation. Et ce qui fut fait. La sensibilisation, il y a même une campagne de collecte de sachets plastiques. Il y a un milliard de, de, de francs CFA qui a été débloqué par l'État pour l'opération sachets plastiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, euh, le sachet plastique, le kilo coûtait 200 francs pour ramasser le stock déjà qui existe. Euh, Monsieur Lamine, cette loi qui interdit euh, l'importation, la, commercialisation et, l'utilisation du sachet plastique, est-ce que est-elle favorable pour vous, les importateurs Bon, c'est favorable pour nous, les importateurs, parce que de tous les cas, c'est, ça, vraiment, ça contribue aussi pour, vraiment l'entretien de notre environnement. vous savez, qu'on est maintenant dans le truc du changement climatique là, il faut vraiment ce qui va aussi entraîner climatique et les choses. Donc, c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment euh, dans notre commande. Et nous, on a, c'est pour cela que je dis, on a toujours exigé à nos fournisseurs qu'on veut des, plastiques biodégradables, Parce que, comme ils viennent de dire, il y a des, des plastiques qui peuvent faire 400 ans, 200, ans, Donc, nous, on ne pouvait pas ça. Et vous savez aussi, notre population aussi a une habitude, euh, euh, je ne sais même pas comment la vie parce que cette habitude quoi Parce que même pas les, plastiques, mais on voit des les caniveaux, n'importe quoi dans les pour boucher les choses. Donc c'est ça que les gens ont interpellé les gens. Il a fallu que le président interpelle les gens pour promettre de l'ordre dans ce qui pas. On voit Tout on jette dans les choses. Mm. Alors là, il faut qu'on qu le explique aussi, on le tout Mais on peut changer les, les plastiques et on va voir aussi si, ça, va, ça va empêcher beaucoup de choses. Monsieur Lamine, puisque cette loi interdit euh, l'importation de ces sachets plastiques légers, vous ne songez pas à, changer, à opter pour, pour une, autre, une, autre catégorie de sachets non, non, vous avez, non, on fait un peu les deux Mais ce qu'on demande, on veut que l'État aussi mette des appareils pour, pour vraiment le contrôle. le contrôle pour vraiment distinguer les lieux de et ceux qui ne sont pas dégradables. Vous voyez comme que ne pressionnait pas quand même à, continuer nos commandes. Nous, on voulait ça. Parce qu'il faut, même les autres pays qui ont voulu, comme ils viennent la Côte d'Ivoire le contrôle, ils ont mis des appareils de contrôle. Vous voyez Donc, euh, je ne pas éviter. Et si maintenant, tu vas à la douane, pas ces appareils, on peut faire un amalgame avec les deux dégradables et ce n'est pas dégradable. Sani Ayuba, euh, dites-nous quels sont les dangers et donc euh, des déchets plastiques Les dangers sont aujourd'hui au Niger ou partout dans le les dangers sont connus. Mais ce que je voudrais juste dire que nous sommes un pays euh, à forte potentialité agricole. ok Et l'agriculture, quand on les prend dans le sens large avec euh, l'élevage inclus, c'est des activités qui sont pratiquées par la majorité partie des Nigériens. Et ces activités sont menacées par la, présence des sachets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans beaucoup de champs, il y a des sachets plastiques. Ça empêche l'infiltration de l'eau. Il y a les questions d'inondation. On n'a même pas assez de caniveaux au Niger ou même dans les grandes villes, par au Niger, si on prend même les cas de Niamey, on n'a même pas assez de caniveaux, et le peu de caniveaux qu'on a sont euh, euh, bouchés, obstrués par euh, les sachets plastiques. Quand vous partez au niveau des dépotoirs, que ce soit les dépotoirs réglementaires ou les dépotoirs sauvages, à première vue, tout ce qu'on observe, c'est les sachets plastiques. Et quand vous savez aussi qu'à Niamey, qui est la grande ville, même les animaux continuent d'errer un peu partout, pour faire leur pâturage au niveau de ces dépotoirs sauvages ou ordinaires. Ils ne peuvent que consommer ces sachets, plastiques. Il n'y a pas, en tout cas presque pas une famille nigérienne qui élève des animaux, euh, euh, qui a des animaux domestiques, qui n'a pas été victime une fois en tout cas des animaux qui sont décédés suite à la consommation des sachets plastiques. On ne va pas continuer à observer cet état de fait sans dire quelque chose. On ne peut pas aussi euh, continuer à observer la dégradation de notre environnement pendant qu'il y a des solutions applicables. Parce que la solution, c'est les sachets biodégradables. La solution, c'est également le recyclage des sachets qu'on a déjà. Parce qu'aujourd'hui, Dieu seul sait la quantité euh, de sachets plastiques qu'on a. Et le fait de les brûler aussi, ça aussi, c'est notre problème de santé. Parce qu'on ne peut pas continuer à acheter avec euh, euh, nos moyens. Déjà, on est un pays pauvre, on n'a pas assez de ressources. On continue à mettre de l'argent pour acheter des sachets plastiques qui nuisent non seulement à l'environnement, mais qui également impactent sur notre santé. Donc, c'est pourquoi il est important que les gens prennent cela comme une question de préoccupation. Ce n'est pas une question de business, ce n'est pas une question politique, mais c'est une question de développement socio-économique. Donc, le Niger qu'on a aujourd'hui, on doit faire en sorte que qu'on puisse créer les conditions nécessaires pour que ça soit, euh, euh, euh, qu'on laissera vraiment pour les générations futures un Niger meilleur sur ces plans. Et puis, comme je le disais, il y a beaucoup de pays qui ont fait des efforts. Et en même temps, il a parlé du contexte actuel de changement climatique il y a le contexte aussi des risques de catastrophes dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, rien que la fabrication de ces chassés, dans leur production, consomme énormément d'eau, consomme énormément de carburant, mm-hmm. parce qu'il faut de l'énergie pour produire ça. Et même les recyclages dont on dit, aujourd'hui des études ont été, on prouve que même les recyclages consomment énormément d'énergie, d'eau, donc, ce qui fait que ça ne peut que continuer à polluer l'environnement. Donc, je pense que la solution, il faut qu'on trouve euh, des alternatives au-delà du recyclage pour que les gens puissent revenir et utiliser. Avant, on avait des paniers pour partir au marché. Mhm. Et donc <laughs> aussi, dans d'autres pays, c'est des enveloppes, parce que des, des enveloppes à base de papier que les gens utilisent. Moi, j'étais la semaine dernière aux Philippines, j'étais dans un supermarché. Même les habits que tu achètes des chemises, c'est des, dans des emballages en, papier qu'on te donne ça <laughs> j'étais sur J'ai dit, mais il n'y a pas de sachet. Le monde dit que non, non, il n'y a pas de sachet. Donc, quelle que soit la quantité des choses que tu achètes, on te les met. vous savez tous que la pollution par rapport aux sachets et les papiers, ce n'est pas, la même, chose. Dans d'autres pays, c'est même les, papiers que les animaux consomment. Par exemple, au Sénégal, euh, les, moutons sont nourris à partir des cartons. Alors, euh, Monsieur Adam Koulibaly, est-ce que vous avez euh, des exemples d'impact que l'utilisation des sachets a sur l'environnement, les, êtres humains, tout ça Vous avez des exemples là-dedans Oui, effectivement, euh, dans ma vie professionnelle, moi je lis théorie et pratique. Tout ce que je fais, j'essaie d'avoir des trucs vraiment concrets pour illustrer. à la maison et dans mon quartier, partout où un animal meurt, je demande si c'est le plastique qu'on m'amène les, le contenu de l'estomac. Effectivement, ici, j'ai des, exemples très précis. Euh, chez moi, il y a une brebis qui est, qui est morte, si on peut le dire, pour avoir ingéré un tas de sachets plastiques. Et quand on l'a égorgé, on a trouvé 27 kilos de plastique. 27 kilos, c'est à poids humide, 27 hein, kilos vraiment. Et la, la brebis faisait 52, 53 kilos. Pour vous dire que la moitié de cette brebis, c'est du plastique. Donc, euh, et le jus de Tabaski aussi, j'ai essayé de sensibiliser dans le quartier tout, tout c'est qui a trouvé du plastique dans le ventre d'un animal qui me l'apporte. Et j'ai fait porte à porte et j'ai eu vraiment beaucoup d'éléments. Et qu'est-ce que j'ai constaté Tous ces animaux qui contiennent du plastique sont des animaux eh, eh, élevés à la maison. Donc du coup, c'est les plastiques amenés par la ménagère qu'ils mangent. Et quand vous faites, vous retournez en arrière. Les femmes, nos soeurs, nos mamans vont au marché les mains vides. Elles reviennent les mêmes pleines de, de, marchandises. Et chaque produit acheté, c'est dans un sachet plastique une femme amène en moyenne 11 sachets plastiques par jour. Si vous êtes en moyenne dans un ménage, sans compter ce que papa amène le soir. Donc en moyenne, vous avez 18 à 20 sachets plastiques par jour dans un ménage. Si vous avez des maisons avec cohabitation, où il y avait 15 femmes, donc vous avez 15 fois 20 sachets plastiques par jour mais, est-ce que cela ne serait pas lié à une sous-information euh, sur les dangers liés euh, à l'utilisation du sachet plastique oui, il y a deux niveaux de compréhension. Effectivement, beaucoup ne sont pas informés. Mais il y a aussi la facilité d'usage du sachet plastique et il y a la paresse de trouver un mode de substitution. Le plastique, on peut le réutiliser. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser plastique. Chez moi, on utilise le plastique. Quand tu un plastique une fois, tu le laves et tu le réutilises. Tu n'es mm. pas obligé de prendre tout le temps. Tu peux me refuser. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai des exemples de, sachets trouvés dans les penses des animaux. Il y a un aliment dans lequel on a trouvé 629 plastique blanc, 629 sachets plastique blanc et 244 sachets plastique noir dans le ventre d'un animal. Il ne peut que mourir. Automatiquement. Automatiquement. Pour vous dire que nous empoisonnons nos animaux et nous sommes un pays d'élevage. Donc, pour revenir toujours au sachet plastique, le sachet plastique, quand on prend les déchets de Niamey par exemple, 54% est composé de sable. Donc, c'est notre mode de balayage. 31% de matière organique qu'on peut faire du compost le plastique ne porte que 7 à 5 de la composition totale du déchet de Niamey. Mais compte tenu de son ampleur, de sa, de son, euh, de sa faible densité, c'est le déchet qu'on voit le plus. Et effectivement, c'est le déchet le plus dangereux pour l'environnement. Monsieur Lamine, euh, plus haut, vous avez un peu expliqué que lors d'une rencontre, euh, vous avez demandé au gouvernement de vous permettre euh, euh, d'écouler le stock disponible déjà et faire entrer les, les, commandes. Donc, est-ce que après tout cet écoulement-là, vous allez arrêter d'importer le sachet plastique qui, qui est dangereux pour la société? Voilà, madame, nous, vraiment, nous sommes pour même les, les, qui sont dangereux pour la société parce que ça nuit notre, grand environnement. Mais donc, on ne peut pas, comme vous dites, on ne peut pas les, arrêter directement, mais seulement les la parce que la loi ne concerne pas les dégradables, comme on connaît bien les vieux. Donc, ça ne concerne pas. Donc, c'est que la loi nous permet de faire, parce que nous-mêmes aussi, là, nous allons. donc, les dégradables, on va commencer, continuer à les, à les importer. puis, C'est pour cela que nous, faisons cette exigence à nos, à nos, à nos, à nos euh, fournisseurs. Il faut vraiment qu'ils fassent des pratiques en deux de euh, pour le bien-être de Sinon, si on dit on va parce que ça nuit déjà le nous on a reconnu que ça nuit, ça nuit vraiment la, la, notre environnement. Donc, vous mhm. voyez, c'est euh, pas euh, une contribution pour l'économie du pays. D'accord, c'est des activités que nous avons dans, dans les mêmes mais on ne peut pas faire des activités qui peuvent l'économie du pays, ou même la santé de son pays. Non, non, ce n'est pas ça. Mhm. Et quand même, moi aussi, continuer Merci à vous. Je reviens vers vous, Sani Ayuba. Est-ce que euh, vous pensez que cette loi à elle seule pouvait amener euh, la population à abandonner euh, l'utilisation définitive des sachets plastiques je pense que la loi, c'est, comme on le dit, c'est la loi, c'est vraiment une mesure réglementaire pour arrêter à un niveau supérieur hein, ou bien l'interdiction. Mais je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est comme euh, le, le, directeur le disait, c'est en termes d'information, de sensibilisation. Il faut que les communautés comprennent les dangers, que les citoyens nigériens comprennent les dangers de ces sachets plastiques s'approprient et en prennent conscience et maintenant les gens vont eux-mêmes adopter mhm. euh, un comportement responsable. Mhm. Également, il appartient aux commerçants aussi ou bien même au niveau de l'État parce que le prix est très bas. Aujourd'hui, tu, tu, donnes 5 francs, on te donne 2 ou 3 sachets. sachets. Souvent, tu n'as même pas besoin de payer des sachets. Donc il va falloir qu'on revoie ainsi par rapport au stock disponible. Parce que c'est des mesures comme ça qui peuvent décourager les gens. Les Nigériens n'aiment pas trop dépenser. Si on dit, OK, mm. les sachets de 5 francs là, on ne vend plus, c'est à partir de 25 francs les sachets. Aujourd'hui, même en Europe ou dans d'autres pays où ils ont réussi cette transition, c'est parce qu'ils ont pris des mesures comme ça. Tu mm. pars dans un supermarché, OK, on te dit, si tu veux qu'on te le mette dans un sachet, il faut que tu ajoutes 1 euro de plus ou bien 0,5 mm euros. Donc les gens se disent, donc à, à, à partir de ces moments, les gens en partant dans les supermarchés, ils portent avec leur panier eux-mêmes. <laughs> Parce qu'ils disent que non, chaque sachet que je vais prendre, il faut que je paye pour ça. Mais aujourd'hui, ici, dès que tu achètes quelque chose de 1000 francs, tu peux avoir 5 sachets gratuitement. Donc, il va mm. falloir qu'on revoie cela, ces prix. Également, on ne peut pas continuer à dire que il y a toujours un stock euh, qui est là, il faut l'épuiser avant de mettre la loi en application. 2014, ah la loi a été adoptée. 2015, les décrets d'application. On est en 2017. Deux ans jusque-là, on n'a <laughs> pas fini d'épuiser les stocks. Les gens continuent de commander. Moi, à mon avis, l'État doit prendre ses responsabilités. Ceux qui ont commandé avec des preuves par rapport aux dates antérieures, on accepte. Et l'État doit prendre des moyens pour à réacheter ça. Moi, je trouve que ce n'est même pas prudent de laisser pénétrer encore sur, sur les marchés locaux ah, les sachets mhm. des stocks qui mhm. sont en cours ou bien qui vont arriver. À partir de la donne, on peut les prendre et l'État dédommage ces commerçants-là euh, au prix qu'ils ont acheté ça et puis l'État en face ce qui peut être meilleur pour mm-hmm. l'environnement. Euh, je pense que ça, ça peut être bien. Mais on ne peut plus continuer à dire de 2014 jusqu'à 2017, jusqu'à peut-être 2020 ou je sais pas quand, pour dire il y a toujours, c'est toujours les stocks disponibles. Mm-hmm. Donc il faut revoir ça et à partir de maintenant, avec les rencontres avec les commerçants, revoir les stocks qui est là pour rehausser les prix. Comme ça, ça va décourager les gens dans l'utilisation des sachets. Monsieur, vous êtes, euh, vous êtes d'avis avec ce ah, que bien sûr, bien sûr. Euh, vraiment, c'est, il a bien dit pour le moratoire, je reviens sur la loi, on a donné six mois de moratoire aux commerçants pour écouler le, stock. En réalité, après avoir voté la loi, on s'est renseigné combien, on a demandé aux commerçants, le stock qu'ils ont peut durer combien de mois. Ils ont dit quatre mois. Et le moratoire a été donné, un moratoire de six mois, mm. avec deux mois de bonus pour épuiser. Finalement, on se rend compte que le stock ne finit jamais. Donc, euh, en réalité, il y a un jeu que les commerçants doivent comprendre. Ce jeu ne peut pas durer. Il faut mm. qu'on s'arrête à un certain moment. Il y a beaucoup de structures qui viennent vers nous demander, dès que la loi est votée, ils savent, ils envoient leurs commerciaux pour demander, ah, ils ont un stock de plastique qu'ils ont commandé. Est-ce que ça peut rentrer Nous, on leur dit, ah, la loi est applicable. Et ils ont automatiquement changé. Il y a deux ou trois structures que, je peux vous citer. Il y a Laban qui a commandé, ils sont venus enseigner chez nous. Je crois qu'ils ont changé. Et il y a, Niger, il y a, du Niger quand ils ont changé leur plastique, ils sont venus demander quel est le plastique autorisé par la loi. Et on les a dit, et du coup, ils ont changé leur façon de voir le plastique. Donc, beaucoup de structures, dès que la loi est votée, sont venues vers nous pour demander est-ce que leur stock qu'ils veulent commander est réglementaire. On leur mhm. dit non et demandent à leurs fournisseurs de changer le type de plastique. En réalité, le changement du type de plastique n'a aucun e-, effet euh, sur l'activité des commerçants. Et c'est les commerçants de plastique ils vont, vont vendre du plastique, mais mm. pas le même type de plastique. Mm. Il y a plusieurs choses. On le dit, voilà le type de plastique que vous vendez. Donc ça n'aura aucun impact sur l'activité, aucun Oui. C'est que les gens ne connaissent pas, ils ne demandent pas. En réalité, on nous demande tout simplement de changer le type de plastique. Si par exemple aujourd'hui tu vends des pagnes, la loi dit c'est interdit de vendre des pagnes, il faut vendre des robes. Toi tu vas passer de robe à pagne, donc tu gardes ta boutique, tu gardes tes fournisseurs, tu gardes Voilà, c'est tout. Et, pas et, donc, euh, compte tenu des, dangers énormes des déchets plastiques sur mhm. l'environnement, comment le ministère s'y prend donc de la gestion des déchets ici à Niamey Bon, la gestion des déchets, actuellement, on est sur. Euh, il y a déjà une stratégie nationale de gestion des déchets plastiques. Il y a une stratégie qui est là. On attend que. Il y a eu des. L'application n'est pas encore effective. Sinon, la gestion des déchets plastiques, actuellement, elle est elle se fait comme tout comme celle de la gestion des déchets solides ménagers. Il n'y a pas un truc spécifique. Maintenant, on a fait beaucoup de sensibilisation. Tout récemment, on a fait une tournée dans, tout le Niger, de Ayuru à, à Gingimi. On a fait une caravane de sensibilisation sur l'utilisation et le recyclage du sachet plastique. Mm. En réalité, le sachet plastique, c'est une matière recyclable et réutilisable. Il faut tout simplement être intelligent. Le plastique va bientôt, il y aura une grosse campagne qui sera déclenchée pour la collecte du stock de sachets plastiques qu'on a dans la ville. Pour ça, tout ce qui est comme stock de la ville, on va le récupérer et on va le recycler. Donc c'est le système actuel qu'on a en attendant les grosses machines, en attendant parce que la chaîne de déchets plastiques, c'est le même parce que c'est un déchet de toutes les façons, on les met dans la même catégorie que les autres déchets. Le gouvernement, on peut le dire, le gouvernement prévoit de recycler et de des sachets plastiques, mais à, à la date d'aujourd'hui, ça n'existe pas une usine de transformation de ces sachets plastiques. Dites-vous que le gouvernement trace des voies. Ce pas le gouvernement qui le gouvernement, à travers le ministère de la Ville et le ministère de l'Environnement, trace des voies et des grands axes pour faire le travail. N'est-ce pas Le sachet plastique, qui amène le sachet plastique au Niger C'est qui C'est les commerçants, donc c'est du business. Mhm. N'est-ce pas Et le recyclage que tu vois, tout ce qui est recyclage là, c'est une source de revenus, c'est une source d'argent. Et ce sont des privés et ONG qui sont lancés dans l'affaire. En Europe, ce sont des grosses industries. Hein. Mais chez nous, jusqu'à présent, il n'y a pas un industriel qui s'est engagé. C'est des ONG c'est les partenaires, c'est les privés qui sont engagés pour le recyclage de ces plastiques. Ça se fait déjà, hein, ça se fait déjà. Il y a deux ou trois ONG qui, le font, qui recyclent le plastique en pavé, en, tout cas en pas mal de choses. Et vous allez voir au niveau des paniers, il y a des hommes et des femmes qui font, qui transforment le plastique en panier pour mm. une, situation plus durable. Vraiment, le rôle du gouvernement, c'est de tracer les voies est-ce que le, recyclage du plastique crée aussi de l'emploi et soulage le gouvernement de la recherche d'emploi pour les jeunes. Monsieur Sani Ayuba, donc, euh, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec les sachets pour le recyclage Qu'est-ce qu'on peut faire avec le sachet Quelles propositions euh, donnez-vous Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train d'être faites dans les, en termes de recyclage des sachets, euh, des objets utilitaires, des objets de décoration. Et même, euh, j'ai vu par exemple avec euh, GV2 de Ali Dogo qui fait la transformation avec du sable pour avoir des pavés, pour avoir d'autres sources. En tout cas, il les utilisent euh, dans la construction, dans l'embellissement des maisons. Et il y a aussi Fortitude Agence qui fait transformer ces sachets plastiques à plusieurs objets utilitaires tels que mm. des bancs, euh, également d'autres objets de décoration pour les femmes. Donc je mhm. pense il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire avec surtout dans le domaine de la construction et même dans le jardinage. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de gens qui font euh, du jardinage avec euh, ces sachets-là pour les pépinières et pour aussi contenir d'autres types de plants, etc. dedans. Donc, c'est possible de faire du recyclage dans ce sens et c'est possible de le faire. Donc, je pense qu'on peut s'engager dans, dans mhm. ce sens. Et Il y a vraiment des possibilités. Et pour finir, euh, ce, qu'est-ce qui doit être fait euh, pour mettre en vigueur cette loi et sauver la population des dangers plastiques Qu'est-ce qui doit être davantage fait Je pense que déjà, la première des choses, c'était le consensus. Aujourd'hui, euh, les différentes parties prenantes, peut-être que je ne dirais pas que la société civile n'est pas fortement impliquée, mais je dirais que les parties prenantes les plus concernées, telles que les, les, les, les commerçants importateurs, ont été plusieurs fois entendus et associés. Même avant l'avènement de la loi, moi je me souviens, il y avait eu des rencontres de sensibilisation avec eux, des rencontres d'échange pour comprendre un peu euh, l'intérêt de cette loi, etc. Beaucoup de gens ont adhéré à cette loi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est que nous puissions comprendre que c'est pas pour eux, c'est pas une question personnelle, c'est pour le Niger, c'est pour les générations futures. Donc nous devons tous mettre de notre sien pour que ça puisse réussir cette transition. Mm-hmm. Parce que comme je l'ai dit, il y a des modèles de réussite il y a beaucoup de pays où tu ne peux pas prendre Piawata et jeter n'importe comment, où tu peux même pas trouver les sachets comme ça. Mhm. Donc ça va changer notre habitude. Je, je sais que les changements, c'est un processus, mais nous sommes capables d'arriver à ces changements. Monsieur Lamine, nous sommes au terme de ce forum. Quel est votre mot de fin Comment on fait, pour le recyclage dont nous avons parlé. Le recyclage, vraiment, c'est ce qu'on voulait. Parce que actuellement, il y a des sociétés même, européennes qui voulaient vraiment, parce qu'ils ont du contenu qu'on voulait, des tonnages que nous utilisons ici, parce que ils ont placé des usines de cigarettes pour faire beaucoup de choses. Vraiment, si, on arrive à les avoir et qu'on arrive aussi à mettre. Vous savez, parce que nous, j'ai un débat, un débat qui a commencé à ça, mais malheureusement, il n'a pas le moyen de, continuer. Le petit moyen qu'il a, elle a tout étudié, mais elle n'a pas eu aussi de niveau de base de vous voyez, si on arrive à déjà suivre un moment qu'il peut mettre beaucoup de choses, euh, on, les sollicite et nous fait ça. Donc, ça serait bien. Et quand vous avez maintenant le ferret que vous avez au Niger, avant on avait des effets ferrets. Et mais quand on avait leur consommation, la région, on, besoin on tout tout ramasser en C'est pour ça aussi les déchets. Si mm. maintenant avec le système de, de, de, de prévention, et ça va tout finir. Et on aura même besoin, on ne va pas trouver. Merci à vous. Euh, Monsieur Adam Kloubali, votre euh, dernier mot Ok, vraiment, je suis. Pour, pour finir, pour conclure ce débat, je crois que l'appellation et les, commerçants n'ont qu'à comprendre que la loi n'a été votée que pour le bien-être de tout le monde. La loi n'est pas contre quelqu'un. Maintenant, toujours pour le plastique, je conseille aux ménages, aux femmes de refuser autant que possible le plastique. À défaut, le plastique utilisé une fois à la maison, ils n'ont qu'à les conserver. N'est-ce pas Déjà commencer le tri at home, mhm. à la maison, ne pas jeter le plastique, trouver un endroit où les stocker Parce qu'il y aura un moment donné où ce plastique-là sera recherché et ça va être une suite de revenus. Chers invités, merci d'être venus. C'est ici que se referme le forum de ce soir. Nous étions avec M. Adamou Koulibaly, directeur régional de la ville et de la salubrité de Niamey. Nous étions également avec M. Sani Ayouba, directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement, M. Mohamed Lamine de l'association des importateurs et exportateurs des sachets plastiques au Niger qui était resté en ligne. Merci à vous et chers auditeurs et auditrices, merci Merci également de nous avoir écoutés. À bientôt.